bonsoir et bienvenue sur votre émission des jeunes de fatan alheri langue de bois, ce soir, nous voudrions parler de la délinquance juvénile, ce mal qui touche des jeunes de partout dans ce pays. Au Niger, l'expression délinquance juvénile est remplacée par enfant en conflit avec la loi. Ces dernières années, euh, le phénomène a pris de l'ampleur au Niger plus précisément dans les grandes villes, selon un article du cahier d'études africains de Daniel Poitou, intitulé Délinquance juvénile et urbanisation au Niger et au Nigeria. Elle explique que la délinquance est un effet des aspects du problème de la marginalité. Ta kara da cewa a Afrika ta gudu yawancin matasan da suke cikin wannan ta'addancin ƙananan ƙananan ƙananan ta'addanci waɗanda suke fitowa ne da ƙananan ƙauyuka su zo cikin birane ba su yi metrizan ba irin wahalar da ke cikin rayuwar birni ah, eh, mais quelle est la situation de tawa par rapport à ce fléau qui fait tache d'huile mais aussi l'implication des structures des jeunes dans cette lutte on aimerait bien savoir qu'est-ce que ces structures font euh, dans ce sens on en parle aujourd'hui avec Zainabou Atenomaou du cadre consultatif des associations des jeunes. Zainabou, ça va Ça va. Tu vas bien je ne veux pas rater une miette de tout ce que tu vas me dire. <laughs> à cette fois, nous sommes également avec Aria Adamou. Il est du CCNEJ, le cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes. Nous sommes avec euh, Abdou Salam Abakar. Il est membre du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction, mais également scout. Ça va, Abdou Salam Ça va. Tu vas bien Je vais bien. Et vous Super, ça va. Merci pour l'accueil. Hein. Merci. <laughs> Nous sommes à cette fada avec Leila Ibrahim, elle est euh, de la Jeune Chambre internationale du CI Tawa. Ça va Oui, ça va. Tu vas bien, Leila Oui, ça va. Donc, je merci. <laughs> On a de la moto. Salut, du Conseil communal des jeunes Tawa. Elle est également de la. Ça va Ça va. Merci pour cet accueil. Nous sommes avec Issa Jubo Adamou, il est commissaire régional Scout Tawa. Ça va Ça va bien, à merveille. Merci Issa. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la mobilisation <laughs> C'est notre rôle avec les jeunes. Ah, on a une invité qui vient juste arriver. Comment tu t'appelles Je m'appelle Pariso Ahmed Abibou François. Ok. Sois le bienvenu. Tu es de quelle structure De la Jeune Chambre Internationale. Je suis Aïtawa. Bienvenue sur l'émission. Amis jeunes, vous le savez, il n'y a pas de fada sans musique. La rubrique qui est rose jusqu'au bout des ongles, cette fois-ci sur la fada, et la chronique d'Olivier, bien sûr. Amis de la FADA, nous le savons bien qu'une délinquance mal prise en charge peut conduire au crime, comme ceux qui s'encaillent de Sauransu. Certes, le Niger dispose des centres de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi. ama mon mu matasa adanci da duka irin fitinoni da matasa suke iya sa kansu a ciki kuma menene suke yi wani aiki ne suke sur le zan zo direct ka tambaya ta ta farko on voudrait bien savoir ananga tawa qu'est-ce qui se passe à ce à ce niveau là on a quoi comme souci zan fara da ke Zainabu a madura. To da ta wasu mu ce masha Allah wallahi yara dai matasa sai a hankali kama ko ina da ko ina sirtu yara yan mata suna yawan zuwa yawo haka. Sai kaga yarinya karama abun ta tsaya ta yi karatu ba tsayawa sai ka ganta tana ta yawo tana bin maza har da shan kwaya. Ta sha kwaya maza su sha kwaya ka ganta tare dan yaro Mondo Kenzan Trizan suna tare suna yawo suna shan kwaya ka tambaye ta me yasa ba ki ya ki nemi wani aiki ki sai shan kwaya ta ce a ita shi ke birge ta lokacin da ne yayin ta ne kungiyoyi na matasa ga sunan duka zazzam ne masha Allah ana kakkamawa muna waye musu kai ana kama musu promotion de l'enfant da su abdulsalam suna kokarin su kullum a gani an ciyo kan wannan abun banda wannan halin da yar kankana yan mata suke sa kansu akwai wani abu kuma kake so karga mana abdulsalam da ko merci mana muke faruwa a wajen nan haka tunda kowace region sai duka ana ciki amma le region an kamar leur particularité kamar yadda Zainabu ta gane ta gayi ne tun tun mhm. autour de l'éducation shine kullum muna gayi a plusieurs reprises cikin rencontre to shahara euh, de haut niveau ko ko avec les autorités compétentes quand juste utile que suna iya dokar decision mu matsayin mu na euh, acteur de la protection kullum muna gayi da cewa wannan dole uwaye sai sun doki wannan nauyi da Allah ya ba su na education in nan paskui can ne ake yi wa ratan shi yasa wanga abu yau inda mun rike wannan abubuwa da muke gani kamar mu ganin kamar na tura ne wannan convention eh, na droit des enfants droit et devoir inda uwaye suna respectan su shi paskui ba mu zuwa nan ga yau abun bai kamu na har yau kuna gani in muka yi turu cikin tawa zan gwada muku wurare da dama wanda ita da lankansu juvenil igir da ake hudu ku gane ta real mai ikon kartaman gata nan da lankansu juvenil wadda kana iya kai hawaiya in ka ga ga wata ƙaunaka ko wani kananka wanda a kina tan palage majeur shina cikin wannan delan kansu juvenile et en fin du compte il ne se retrouve pas même bai ko na shan waya suke mai tout ça là, il y a des, il y a de il de a qui sont très dangereux, même dans la nuit, wanda in kace za ka bi su wannan hayoyi ba ka ma iya bin su kuma sai dai non c'est ba matasa ne ba an ce matasa sai dai isolage majeur c'est ya ga kanana su domine donc tout ça là mutane suna ganin kaman muna muna bubuwa ne mu ko menene ba mu san addini ne ko in muka yi batun duka da zamfan que c'est pas ça dole in an yi batun tarbiyya ha dole sai an yi incin nan an yi batun yaro don wannan abun da Denise ta gayi ne tawa muke nan ga rayuwa saman shi donc le délits ici au fait c'est quoi c'est la consommation des stupes c'est quoi Ou c'est les agressions non non non euh, euh, il y a beaucoup de, de, de paramètres parce que akwai euh, abin consommation da stipend c'est-à-dire duk kwayoyi da kala kwayoyi kwaya shisha tusala duka abun da kuka sani dai na sha na sha kine tramol duka dan sha tusala su da turki wanda da kamar da minex suke doka buvaye eh wani wani magani ne wanda daga Nigeria ake kashi mai an hita da shi Libi kwa don wanda MGC in ka tayi in ba yanzu ba da aka yi tadda su kasuwa ta abin ga suka sake wuri suka koma babaye suka sake anduba mgc akwai irin inda wani ventura zai wani abu in ka tose dan jure on t'agresse ou on si moto on peut prendre la moto si de l'argent on peut te prendre ton argent isa a amshi ma kudi a amshi ma ran ka na hawa a mai ka baya yo to ni zan dan kara bisa abun da yace eh ni zan fara cewa fetetir shi ilimi na duniya sai da tarbiya duk wani ilimi in babu tarbiya ni ban ga muhimmancin shi ba yau Eh, in dai hirar delinkan juvenile za mu yi tawa kowa ya sani sai in realite sai visible yau kuma ni a nawa gani ne duke maksudin wannan matsaloli yau idan kun diba kun gani an yi ta waye kai an yi ta sensibilisation biskan marriage for say biskan marriage precoce sai ku iske ɗaya mata a ƙauyuka nan kalke 18 km 20 km da tawa mm. yarinya karama za a yi mata auren gaugawa wannan shekarun ta ba su kai ba sati biyu sati uku ta rabu shi shikenan ta zo tawa eh daga nan da sai Et de là, tout est parti. Elle va commencer à wow. fumer. Elle va commencer à être droguée. Ainsi de suite. Et tout ce qui suit Et donc, on dit, on gani duka garin gana tawa. Duk waɗanda ke wannan abubuwa waɗanda ça ne répond pas à nos valeurs sociaux. Duka ba 'yan gari bane ba, 'yan eh, gari bane ba. Sun zo daga wani wuri ne sun zo wanga garin tawa. kuma la plupart idan idan kun tambayi iya matan har iya mazan mine ne yasa suka tsere wasu sun zo bida ne daga bida kawai sai gani yadda yace sai da dan sha'in ga ko sai da wani kwaya sai da yana bada kuɗi ça donne de l'argent parce que c'est comme si tawa c'est c'est le vocal où se fait le transit. c'est un carrefour. sa position, c'est un carrefour. Ça continue jusqu'à la Libye. Et tout le monde sait que Tawa, c'est la zone d'exode par excellence au Niger. C'est évident. Et vous allez voir, les, jeunes, tellement que quand facile, se à cette pratique Quand quand qu'on gagne facilement, tu peux te faire de l'argent. Et facilement, on devient des délinquants. Et voyez-vous, Andiba MJC, tribune officielle, Nan Wajantacha. Donc, partout où vous allez, vous allez voir un carrefour des, jeunes filles et des jeunes garçons qui n'ont même pas l'âge majeur, comme il l'a dit. Des enfants, hein, des qui n'ont pas 15 des ans. Enfants. Qui n'ont pas 15 ans. Et ils s'adonnent à ces pratiques malsaines. Et c'est ça vraiment qui est dangereux. Et e parce que ta santé est aussi engagée. Tes biens sont aussi engagés. Ouais, an suka fara zancen tarbiya da babu bar zan zo wajen ki ramatu salifu kawo mu ya kai mu haka kamma wannan abu da ka gani da ake zancen rashin tarbiyya ba wani abu ne ba yake sawa wannan saboda kamar matsaloli suna faruwa ne daga iyayenmu menene daga iyayenmu saboda uwayo bata iya zamnar da ɗanta ta tambayi shi matsala ta ba uba bai da damar da zai zama ya tambayi ɗan shi menene matsalarka saboda duk inda Allah za mu ni mace ce na kan inda zaman mace yau sai in ga abikiyata da abu ni ma ina son shi ko abin kawa ne ni ma ina son shi yanzu in na zo ba ni iya damar da zan tambayi uwata ko babana abin nan kenan shi ma kin ga yana kai ga wannan ka shiga wata hanya saboda in kin ga wannan kenan ni ban samu a gida ba ina zan tahiya dole in she in nemi wani wanda zai bani rakursi kenan eh kenan kun gani wannan abu to shine muke su muke hwata ga duka wani al'umman da ke nan uwaye fisibilla inda Allah sa wannan abu duka dai abu yana tasowa daga iyayenmu ne tunda in iyayenmu sun ba mu tsaro mai kyau babu inda hanyar da zamu bi mu she wannan abu tunda iyaye ba wai ka aihi dan ɗa baka ba ka bashi ci da sha ba shi bane responsibility dole akwai wani bayani na rayuwa da zaka zamna kai ma ɗanka tun da ɗan ɗada ya kai shekara takwas ko tara ya kamata a ce ka zamna shi ka kwatanta mishi yanayin rayuwa yan dai to amma yanzu duk babu shi sai kaga uba ya yi biro tun da sahi ya ta biro ke ma uwa kin tashi ke ma kin tai kenan babu kowa tare da kai cikin gida kai e kin ma dai bakin abin da an sanya ya koyo maka ne ka dawo gida baka tarro ka uwayen ba bale su ma su kama maka duk wannan da kuka ga shine ke sa wanga abubuwa duk da kun ka gani gaskiya fi layi in ana tashi tsaye a tashi tsaye a kama matasa a hidda su cikin wanga matsalolin da suke ciki sensibilisant ou Amis jeunes, c'est l'heure de la rubrique rose de la FADA. Avant de poursuivre euh, notre échange avec nos invités, on écoute et on se reprend juste après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Salut les filles, dans la rubrique euh, d'aujourd'hui, on va continuer de s'occuper de notre bien-être. Eh bien, on évoquera avec moi le problème d'acné chez les femmes et les jeunes filles avec notre spécialiste en nutrition, Dr Abdrazak Bel. Coucou tout le monde, avec moi ce soir, on va découvrir les merveilles du bain de vapeur pour le visage. Et de l'espace cuisine de Bibi, ça sera les secrets pour devenir la reine du barbecue. Me revoilà les filles, j'espère que vous allez bien partout où vous nous suivez à travers le Niger. Dans cet espace santé et bien-être, on parlera de l'apparition de l'acné qui s'accentue avec la consommation excessive du sucre et de la graisse avec notre spécialiste en nutrition, Dr Abdrazak Bell. Plus on consommera de graisse, plus l'acné sera plus ou moins résistant. Et également, plus on consommera des produits sucrés, plus euh, ce facteur d'acné-là va être plus important. Cela veut dire que euh, euh, ça amplifie le problème. L'alimentation peut également e-, être un facteur permettant de mieux se sentir par rapport à la santé de sa peau. Tout ce qui est fruits et légumes qui sont plus riches en substances antioxydantes, notamment vitamine A, notamment vitamine C. Donc tout ce qui a un effet sur l'amélioration de la peau va avoir un effet sur l'acné. Encore le sucre et la graisse. Décidément, ces aliments sont vraiment des ennemis pour notre bien-être. pour la beauté et pour tout. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que consommer trop de sucre, ça donne des boutons. Allez, on passe aux astuces beauté. La vapeur chaude, vous connaissez les filles Eh bien, elle ouvre doucement les pores pour déloger la saleté et l'excès du sébum. Un bain de vapeur peut prévenir les boutons et les points noirs et ainsi contribuer à une peau nette à long terme. La circulation sanguine est stimulée, le teint éclatant. Notre chroniqueuse beauté l'a testé, on l'écoute. L'astuce beauté que je vais partager avec vous, c'est une astuce qui m'a aidé, c'est le bain vapeur. Moi, j'en fais avant tout gommage. En fait, c'est la partie la plus importante pour un soin de visage. Je fais bouillir de l'eau, je mets dans un récipient, je couvre ma tête avec une serviette de telle sorte que la vapeur tape mon visage mon visage va transpirer légèrement, donc ça va ouvrir les pores et cette sensation que j'ai souvent d'huile sur le visage là, avec le temps, ça va vraiment disparaître. Et dans l'eau bouillante, là, vous pouvez mettre de la menthe ou bien de la citronnelle ou bien du basilic. En fait, ça rafraîchit le visage. Donc, c'est vraiment une astuce qui ne coûte rien et qui sauve. Ah, je comprends bien maintenant pourquoi euh, cette astuce est appliquée euh, aux femmes qui viennent d'accoucher avec les masques de grossesse et tout ça là. Donc, ça. Ben voilà, c'est pour... nettoyer tout ce qui est peau, peau morte et tout. Moi, perso, je l'utilise. on va aller, euh, on le sait bien, euh, c'est les vacances et les vacances, ce qu'on aime faire, c'est les pique-niques. Et qui dit pique-nique dit barbecue. Pour le réussir, nous avons quelques astuces à partager avec vous. Pour la plupart, je les ai testées. On vous conseille d'abord d'assaisonner vos viandes avant la cuisson. Donc mélangez à part égale le sel, le poivre, l'ail, oh, céleri ou persil. Bon, les ingrédients de vos choix, sauf si vous voulez que un domine. Peut-être on peut faire du poulet à l'ail ou je sais pas, du steak à l'ail. Sinon, on les mélange à et vous pouvez faire mariner cette viande toute la nuit pour un meilleur goût. Une fois la viande bien marinée, ne jetez pas ce mélange parce que vous pouvez badigeonner la viande avec tout au long de la cuisson. Maintenant, passons à la grillade pour ça le charbon de bois est meilleur que le charbon minéral. C'est vrai que l'autre, euh, il semble euh, au fait plus rapide, machin truc, mais avec le charbon de bois, ça a un meilleur goût. Et il faut le laisser faire des braises. Je sais que ce n'est pas facile quand on a hâte de manger, mais je vous assure que ça facilite la cuisson de la viande. Tu mets la viande, elle saisit bien. Et quand la viande, elle est bien saisie, après la cuisson, euh, ça coule au fait, ça coule crème. Voilà. Maintenant, c'est important de choisir un bon morceau de viande le barbecue. Le filet ou encore le faux filet longuement mariné, par exemple toute la journée, pour qu'il soit tendre comme le filet. Quand vous utilisez les feuilles de céleri et persil, les, petites branches qui restent, ne pas jeter, les sécher, vous pouvez les mettre dans le charbon et puis fermer la viande. Ça va bien fumer la mhm. viande, ça va lui donner un goût, voilà, une bonne odeur. Ce que je vais encore conseiller, c'est de ne pas retourner la viande. Tout le temps, retourner. Tu retournes une seule fois la face qui est bien cuite. Plus tu retournes, plus tu perds le jus de la viande. Et quand tu perds le jus de la viande dans les braises, ça veut dire que tu as perdu le goût de la viande. Et la dernière astuce que je vais partager avec vous, c'est de penser à sortir la viande du réfrigérateur au moins 20 minutes avant. Parce qu'à température ambiante, euh, la viande, elle cuit plus facilement et ça facilite la grillade. Ben voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bon appétit, euh, les amis. On va se dire au revoir en dansant Jalouse d'elle des Crazy Girls. Clôturer cette rubrique. Bye bye, bon début de semaine. la rubrique rose de l'émission tout ça la fada zamu mu dawo nan ga star kintawa mu ci gaba da hirar mu tare da abokan namu wanda muka gayyato na muka haɗu tare da matasa na ƙungiyoyin matasa da dama mu zo mu hirar da su bisa kan laifuka da fituna kai har a ce mata ta'addanci da yara kankana da matasa suke cikin shi a wannan jihar tasu muna so mu ji su kuma a wajen su mi ke faruwa wannan fadar muna nan ganin tare da Zainabu Ate Nomau du cadre consultatif de des associations de jeunes Aria Adamou Salam, Abakar, Leila Ibrahim, Ramat Salifou du conseil communal des jeunes de Tawa, hein? Tawa Anko, Issa Jubo Adamou, commissaire régional <laughs> scout Tawa, Kuna Ega Yamana, comment sur le terrain, comment vous, arrivez à travailler Qu'est-ce que vous proposez euh, à ces jeunes ou encore à ces structures étatiques, wanda suke aiki tare da gwamnati justement pour les accompagner parlez-nous un peu de ce que vous faites sur le terrain da wa zan alors eh kai to eh ni zan ce Isa Jibo eh Isa Jibo Adam commissaire régional de scout to ni zan lalle kunyoyi na matasa na nan cikin shahatawa suna aiki kwarkwara saboda wannan matsala a samu a ciwo kanta saboda yau mu on est conscient que la paix vaut de l'or et qu'il faut la préserver à tout prix et que babu wani ci gaba da za a samu cikin ƙasa ko cikin gari ko cikin yira inda babu kwanci hankali mun yi activity da dama har iri har wuraren da ake har sai le le plus sensible u ana tsammanin matashi ba zai iya tahiya ba ya dauki magana saboda ya waye mutane kai saboda mm. mu furnu c'est des jeunes comme nous qui ont l'âge entre 15 35 ans et kuma yau an ce duk wanda adda wannan shekaru yana cikin taran shida ta matasa yau cikin mu akwai mambobi na conseil communal de la jeunesse muna ma tare da conseil régional de la jeunesse 1 duka muna zama mu yi nazari da mun ga wata matsala sai mu zauna mu yi nazari mu yi tunani mu ga mine ne kamata mu yi saboda wannan matsala aka samu a cikin kanta mhm. mun yi ta sensibilisation sensibilisation in tasa ha har ekiri mun yi ma eh, eh, komisariya nan ga an ɗauki waɗannan yara duk an maida su garin su ɗan mu ma kuma mm. sun ƙara dawowa to kun gani ko kenan peut-être là on, on, a manqué peut-être la, la solution à ce problème là peut-être la solution n'est pas de les prendre à caisse garuru garou et mm. c'est peut-être les trouver une occupation ainsi de suite mais on a fait peut-être un travail d'arrache-pied pour en tout cas permettre à ces jeunes de se retrouver et que ces jeunes puissent comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, vraiment c'est une pratique malsaine et qu'il faut revenir à nos propres valeurs. Dans CNJ, ils ont eu un projet qui, Bessakan Haraka, est initiative des de, de jeunes en faveur de la paix et de la cohésion sociale. C'est un projet wanda tare da muka exécuter shi. J'ai eu la chance d'avoir ba matasa horo bisa wannan projet. Kuma wannan matasa da muka ba horo sun samu dama sun tafi duk waɗannan wurare da ake cewa wurare na delinquents sun ba horo. Les points chauds. Les points chauds eh tu es également euh, euh, ambassadrice euh, pour la santé de la reproduction c'est ça est-ce que tu as pu approcher ces jeunes filles est-ce que dans vos actions vous avez approché ces jeunes filles pour discuter avec elles pour créer un climat de confiance et voir ce que vous pouvez faire pour elles vous arrivez à les approcher, ces, jeunes filles Oui, tout à fait. Surtout les filles qui sont au niveau de la tribune de Tawa. Bon, malgré que c'est dangereux pour nous, mais on a pu approcher quelques jeunes pour au moins les sensibiliser, les montrer les effets négatifs de l'activité là qu'ils sont en train de faire. Et puis, machallah, il y a ceux qui sont là vraiment, c'est à cause du manque de la sensibilisation ou bien du manque du travail, ils sont là en train d'exercer cette activité. Mais avec les sensibilisations, Vraiment, je mène beaucoup de sensibilisation et qu'on arrive à les trouver une activité qui peut les occuper. Je pense qu'on peut remédier à ces problèmes ici à Tawa. Ok. C'est son énergie. Ça va Yanni Voilà. Aria Oui, oui. En tout cas, moi, par rapport à... matasa ne kankana hein, ne yara. Mhm. Kuna samu kuma ku je wajen su kuna magana da su? Oui, oui. Mhm. Bon, en tant qu'un membre du CCNDJ, et je pense que tout récemment, on a fait une activité, c'est une caravane de sensibilisation. bon Allah kuma Hausa alawa <laughs> gida kuma ya shiga nan a wanda zancen mu yake karaban eh. ce ta san tawaye kai eh. kamar saman kan pay da cohesion sociale. kamar an yi shi local lokolokka ko Ok. on a fi kamar an waye ma eleva da yawa hankali e, saman kan abin da ya kamata su sani saman kan wannan abu saboda cikin su ma ana iya samu wani mai niyya ya je wannan wurin ko wani wanda kama abin nan da suke yana birga kenan tun nan tun nan kama an gwada mai aibin su eh kama ofisir ga abin da yake iya samu kenan dai la lpa eh, ta da kuraje Et je suis encore membre d'un club d'enfants dont PACOP avait, avait organisé quoi, dans les différents quartiers. Mhm. Bon, -hmm. club je suis le secrétaire chargé à la protection de l'enfant. Bon, dans le club, on a une activité kala kala. On fait la sensibilisation au profit des parents on a eu comment au profit des enfants, non comment au profit même des enseignants ou des vendeuses. Chacun a son cas dont ça peut nuire à la santé peut-être et de la population du quartier. Hmm. Et par rapport, on a un plan d'action, comme on a un, bilan annuel. Mugani et les personnes dont nous avons sensibilisé, par exemple, et Samankan et Auren hmm. on a comme nous est chargé à la protection de l'enfant, j'ai un registre. Et en 2019, comme nous, avons commencé en 2017. Bon, tout le monde a un registre. wanda kama in sensibilisation, comme nous avons des. Bah, et moi qui bi que mu gani si l'activité. On oui, oui. Si on a fait l'activité, comment on fait un suivi pour voir si l'activité a bien marché ou non. Oui, oui, c'est ça. ça. Vous avez à, changer quand même euh, les choses tout doucement, ça, ça avance. Zainab, à tes J'aimerais bien savoir comment vous voyez la prise en charge de toute cette affaire. Gamagabatan, Garin. Comment y a aucun euh, Comment vous trouvez euh, le traitement qui est fait à Je dirais que les autorités font de leur mieux. Hein. Ok. Les parents aussi on attend le résultat. Mais même si le résultat est toujours bas, l'État est là, les partenaires sont là, tout le monde fait de son mieux pour pouvoir vraiment bannir cette délinquance juvénile-là. De notre côté, côté entrepreneuriat, comme je suis ambassadrice au titre de l'année 2022 du RESAN, le mhm. réseau d'accompagnement des jeunes on fait des activités sur le veille entrepreneurial pour les mhm. jeunes pourquoi rester seulement Tu avec Memouna Mafari Oui, oui. Il faut aller aussi vers l'entrepreneuriat pour pouvoir aider les jeunes à bannir la délinquance juvénile. Ok. Donc, euh, on voit bien que les choses, quand même, euh, et les jeunes euh, et les, les représentants étatiques sont vraiment sur ce dossier. Sur ce combat-là. Ouais, sur ce combat et On espère vraiment un résultat meilleur dans vie. Effectivement, eh, eh, bisa abin da ta ce ni zan ɗaya ɗan mhm, isa. To lalle eh, gwamnati ta yi nata kokari ta yi nata iya kokari yau sai dai in mutum bai niya ba ya tayi yanne ya koyi aikin hannu ya zo ya aiki kuma ni abu ne wanda nake ga duk inda na samu dama ko gaban ni na karatu har master ina da diploma ina da komi amma yau za ku isa wanda zai taya karatun garage sai ya zo farjur yana samun shiga ɗari wani salariya ne mai aikin gwamnati wanda zai samu shiga ɗari ga ini zai wuya to in matashi bai tashi ba yadda hi ya koyi wannan irin aikin hannu ya haice ya dawo ya aiki ya samu ya yi ini sai ya ganye parlumen to ban ga wanda zai mai wannan aiki a surplus ba yau me wanda ai ya hi kowa iya aikin likita duniya bai iya gere ka idan ba kai kai accepte ba ka ce bari in yi accepte in warki es kun gane abun da nake nan kwatanta kenan gwamnati ta yi kiran CFM ta yi kiran Center de Formation Professionnel masu yawa wanda matasa ya kamata su tahi su samu su iya aikin hannu su hito su kama wannan aiki da himma kuma zai ba su dama su samu su ci gishin kansu yau wanda ta koyi aski ya zo yana aski nawa yake samu ga wuni kun gani ko amma mutane yau notre duk idan nigérien kowa na son shiga bureau mai sanyi et c'est ça qui est peut-être grave les gens doivent se dire que on doit entreprendre et créer aussi d'autres emplois pour d'autres jeunes kenan yanzu kenan kawai kai dai ga zancen ka matasa a bar san banza a bar zaman kashe wando a tasu effectivement a tashi aiki aiki a tashi akwai aikin aiki akwai wurin koyan aiki aiki hannu bai tarayi da matashi akwai aikin hannu to <laughs> kenan ya fa ya fa da excuse kwa ya fa da kuma kacha na kwata iya tunda akwai koyon aikin hannu to kun shi dai abinda wannan matasan suka gayi dai ko za mu zuwa mu shakata cikin wannan fadar wacce miji kuka ga ya in sa roki mikro gaya mu ah? a sa ta kiyalla ta kiyalla ta adar tun da ne to za a sa ta kiyalla ta adar kun matasan adar sun yi magana za a sa musu ta kiyalla et on se reprend Manu manu bouge poursuivre cette émission avec notre dernière question. Ina son in sani zan zo wajen ka Abdul Salam. Wata shawara gare ka kan Habibu ya zo ka ba ni ma shawarar ka. Eh, Magana ka ta karshe bisa kan wannan shirin na ana Hausa. to ni shawarar da zan ba su a bisa wanga abu wanda eh, ke ci muna tuwo da kwarya wanga abu wanda ke nan ga eh, kamuna cikas cikin tahiya ta yau da kullum Eh, wanga abun da ake ce ma wanga taɓarɓarewar tarbiyya da lankansu juvenil ta kuma musamman yara ƙanana shine abun da zan gayi har gobe wanda na saba gayi shine ko da partenaire ko ba partenaire education ita ya aka dawo mu allah ya aza na uwaye nauyin su bibiye ɗiyansu har zuwa girma lasu yan eh, na bi eh, na bi ajiya na bi gwamnati ta yi iyaka kokari partenaires saman haraka protection qui soit des institutions étatiques et non étatiques duka akwai su ison la wanga dama ce wanda zai yi magana ban sani ba ko kowane region akwai abin da aka ce ma komite na protection euh, à la justice wanda mu muna ciki kuma mun ga dukkan lai parti prenante duk wanda ake ganin ile apte à fournir ou bien à amener des contributions par rapport à la protection misali president inda ne yan tela wanda ana kai musu yara ƙanana irin wannan an compli avec la loi ana kai musu suna ɗoka aiki a faranti sashi duka duk wanda ke contribute wani abu wannan komiti yana kiran shi sashi cikin wannan komiti kuma ana na ana aiki abinda aka ce ma aiki don kenan duka le mechanism na mu ga mun yi yaƙi da wanga wanga abu ke wanda ke ci muna tuwo a kwarya shina nan menene mechanism ga partner mi ya rage mu ɗauki kamar mu sa akan mu babu wanda zai zakkuwa wanda zai zakkuwa shi magance mu na ga matsala mu ne yau menene zaki ga halima da mu duk da bamu iske wannan ba zaki iske in gidan mu an ka kishe ki ko babana ya kishe ki to babu mai magana cikin karce an san ki yi laifi me yau in ni kishe ki halima bai ta ta cikin wasu kanan babanki ko babanki ma zai taso zuwa kishi na wasu kuma san me dai man dai kwa kwaje c'est jamusi je me ko rabi rabi rabia rabia eh, <laughs> eh. kun gane ko mhm. wannan abubuwa wannan kamar zumunci bancin tarbiyya waccan ta gida akwai zumunci da ya gani wanda wanda kai. yanzu kai kuma ta kan shi yake kowa ta kanshi eh, take shaken burtus da ko dan dan kadan dana ne in ni gashi na abubuwan da ba su yi ina iya eh an takfelan shi wane he in bashi kashi ma in kai shi har gida kuma babu magana me yanzu ya sai in ni buga shi sai complete an tan to ke mu dawo da wannan abubuwa namu na da retour à nos valeurs al'adun mu, duka mu dawo abubuwan da kakanninmu suka far muna sai mun dawo gare su duka sai mun dawo da su in muna san gaskiya amma na fada Abdulsalam ya mini conclusion kita yanzu zani ba Olivier dama ya zo min da chronique kin shi ni zan yi ban kwana da ku sai ku ci gaba da Olivier ina shin ka. Ravi comment tu vas? Ça va bien. Tranquille Dieu merci. Ce soir euh, comme annoncé, je me suis dit on va parler des cases dans lesquelles la société met chacun d'entre nous. Tu as dit cases là, <laughs> j'ai eu des images du village. Exactement, exactement, ah, exactement. C'est <laughs> <laughs> ça la même image dans la tête de tout à chacun. Justement, ces cases dans, que ces cases que notre société a construit, dans lesquelles nous mettons chacun de nous, nous causent des torts et je pense que c'est aussi la résultante de la situation que nous vivons aujourd'hui. Dans notre société, il y a des étudiants, il y a des forgerons, il y a également des agriculteurs, des éleveurs, il y a des dessinateurs, il y a des intellectuels. Mais à aucun moment, ces gens-là ne s'asseyent ensemble pour dire en tant qu'éleveur, qu'est-ce que je peux apporter à un agriculteur En tant qu'étudiant, qu'est-ce que je peux apporter dans le monde de l'élevage, etc., etc. Ce qui fait que nous avons un monde dans lequel les gens évoluent en monde parallèle, où ah, les gens ne se croisent pas, où les idées ne se frottent pas, où la contradiction n'y est pas. Aujourd'hui, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai des amis entrepreneurs qui ont des amis entrepreneurs, qui ont des amis entrepreneurs. Et vous, en tant qu'étudiant, vous avez des amis étudiants qui ont des amis étudiants, qui ont des amis étudiants et qui ont des amis étudiants. Et à aucun moment, un étudiant n'a pas d'amis entrepreneurs chez qui ce dernier pourrait faire un, pourrait faire un stage. Et à aucun moment, un éleveur, même s'il a des enfants étudiants, n'a pas de, qui, qui probablement n'a pas d'amis éleveurs, ne pourra jamais connecter l'élevage à son étude on a quand même des développeurs d'applications mobiles aujourd'hui qui ne sont que des développeurs et qui n'ont pas d'amis agriculteurs et qui pourtant prétendent développer des solutions pour l'agriculture. En gros, dans ce cafouillage-là, on arrive à une, à une situation où on a des solutions qui sont avec des dans Nos cases, au fait. Pardon Qu'on garde dans nos cases. Merci beaucoup, Ravi. Merci, c'est adorable. Applaudissez pour elle, applaudissez pour elle. <laughs> J'aimerais bien quand même conclure avec ça. On a des solutions qu'on garde dans nos cases et à aucun moment mes solutions ne vont jamais croiser tes solutions pour aller rencontrer les solutions de celles-ci. C'est fermé dans une case. Et chacun <laughs> reste dans sa case. C'est triste. C'est dommage. Hein. C'est malheureux. Je pense que notre mission aussi dans l'émission Tous à la Fada, c'est de rappeler aux uns aux autres que le Niger que nous voulons pour nous-mêmes, c'est un Niger qui doit se construire sur des nouvelles bases. Et une des nouvelles bases que moi je propose humblement, c'est que chacun sorte de ses cases pour qu'on se rassemble sur euh, une place publique, comme ça se fait autant d'avant et de construire une plus grande case pour tout le monde. <laughs> merci Olivier, merci. Sur cette belle chronique, euh, notre chroniqueur chouchou Olivier, on va se dire au revoir. Hira da da muka yi tare da ku dai mun gano matsalolin matasan tawa suna kama da na matasan doso, suna kama da na maradi, suna kama da na mararun. Duka dai ana cikin abu guda shaye-shaye nan dai ne da 'yan sace-sace da eh, fitina fitina <laughs> da bige-bige ko ina dai matasa suna ciki. Kuma nan ga garin tawa ku kuna cikin wannan yakin vous les approchez, vous êtes à leur côté, vous essayez d'apporter en plus, de parvenir à ce changement positif. Mais voilà, la lutte elle est là, la lutte elle continue. On va encore voir euh, sur quoi il faut mettre l'accent et comment les approcher ces jeunes pour euh, les aider. Bye bye